auditeurs et auditrices, bonjour et merci d'être au rendez-vous de l'émission Le Niger sur Kalangou. Vous nous écoutez à travers nos radios partenaires. Merci de votre fidélité. Je suis Salamatou Kadri et à mes côtés, Fanta Chamsou pour la présentation. Bonjour Fanta. Bonjour Salamatou, comment tu vas ce matin Je me porte super super bien. On fait aussi un petit coucou à ceux qui assurent de l'autre côté de la vitre du studio. À la technique, c'est Amina Hassan et Adam Waki à l'édition. Alors coucou à eux, qu'allons-nous présenter à nos auditeurs ce matin Aujourd'hui, Fanta, nous avons sélectionné une variété de sujets pour le plus grand plaisir de nos auditeurs. Au programme de la musique nigérienne, du loti avec les femmes du studio Kalangu, la page sport et bien sûr le flash d'information. Et ce matin, nous vous proposons aussi un entretien avec l'entraîneur de lutte traditionnelle de Maradi. Chers auditeurs, installez-vous confortablement et n'échangez pas de fréquence studio Kalangu. Le Niger sur Kalangu, c'est maintenant auditeurs, nous commençons avec le flash d'informations présenté ce matin par Mokhtar Hamadou. Bonjour Mokhtar. Oui, bonjour Fanta Chamsou, bonjour Salamatou Kadri. Bonjour Mokhtar. Le flash d'informations à présent que nous ouvrons par cette bonne nouvelle. Le gouvernement du Niger étudie la possibilité de réduire le prix des hydrocarbures à la pompe. C'est ce qui ressort d'une communication du ministre du Pétrole en Conseil des ministres d'hier lundi 24 juin. Selon cette communication, il est indiqué qu'il a été mis en place sur instruction du chef de l'État un groupe de travail chargé de réfléchir sur la révision de la structure des prix des hydrocarbures dans l'optique d'une baisse du prix, à la pompe. Cette baisse est une demande pressante des organisations de la société civile et des citoyens nigériens depuis que le Niger est devenu producteur de pétrole en 2011. Information rapportée par l'agence nigérienne de presse ANP. Le gouvernement du Niger a officialisé hier lundi 24 juin le retrait du permis d'exploitation d'uranium dénommé permis Imouraren attribué à la société Imouraren SA. Selon les explications du gouvernement, la société Imouraren SA, titulaire du dit permis depuis le 20 janvier 2009, devrait démarrer les travaux d'exploitation du jugement en janvier 2011 pour une première production prévu en 2012. Nonobstant les reports accordés à Imuraren SA à sa demande, cette société n'a jamais honoré ses engagements en dépit des mises en demeure à elle adressées par le ministère des Mines le 11 février 2022 puis le 19 mars 2024, précise le communiqué du gouvernement nigérien. C'est face à tous ces manquements que l'État du Niger a décidé du retrait du permis Imouraren en application des articles 59 et 61 de l'ordonnance numéro 93-16 du 2 mars 1993 portant loi minière, explique le gouvernement nigérien qui annonce que le périmètre Imouraren fait désormais retour au domaine public de l'État. Le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général de brigade Abdraman Tiani, a décidé hier lundi 24 juin d'honorer les agents du Wapo Niger injustement arrêtés selon les autorités du Niger le 5 juin dernier au Bénin alors qu'il était en mission officielle pour assister au deuxième chargement du brut nigérien au terminal de Semepoji. Le président du CNSP a donc décidé de leur décerner la médaille de la souveraineté Saronia Mangou pour les actes hautement patriotiques dont ils ont fait montre en défendant avec honneur les intérêts stratégiques du Niger malgré les intimidations, la poursuite et l'emprisonnement sans aucun fondement juridique organisé par les autorités béninoises. Et c'est tout pour le flash d'information de ce mardi 25 juin 2024. Merci Mokhtar Hamadou pour toutes ces informations, chers auditeurs. Dans cette émission, nous suivrons un entretien avec l'entraîneur de lutte traditionnelle de Maradi. Mais nous allons d'abord écouter notre première sélection musicale. Il s'agit des Nobonobo du fait Moussa Poussi. C'est ton jour today, c'est ton jour le plus beau. Tout ce monde autour de toi, t'es témoin de sa joie. quelle joie today, oh c'est toi la plus belle veux le sang devant Dieu, bébé, d'être ton meilleur. C'est ton jour today, c'est ton jour le plus beau. Nous Tout ce monde autour de toi, t'es témoin de sa joie. Auquel toi today, oh c'est toi la plus belle. Je fais le sang devant Dieu, bébé, d'être ton meilleur. You are my number one, from my daily you the only one, You're I need. I didn't know see like you, you're my baby, you they make me happy. Uh-huh. C'est notre jour aujourd'hui, ma suite, on est une toi et moi plutôt le groupe MDM Crew qui nous chante Rana Auramou. MDM Crew est connu pour son mélange innovant de la musique au Niger avec des influences contemporaines. Il a toujours été à l'avant-garde de la scène musicale du pays. Leur maîtrise des instruments traditionnels combinés à des éléments modernes de hip-hop et de R&B crée un son unique et captivant. J'ai fait le mon devant Dieu, bébé, d'être ton meilleur. équité, y'aura un Mouché. J'ai fait le mon devant Dieu, bébé, d'être ton meilleur. C'est ton jour today, c'est ton jour le plus beau. Ouais. Tout ce monde autour de toi, t'es témoin de sa joie. Auquel jour today, oh, c'est toi la plus belle. J'ai fait le devant mon Dieu, bébé, d'être ton meilleur. Y'aura un écouté, il y aura un amouté. J'ai fait l'estrement de mon Dieu, bébé, d'être ton meilleur. après cette pause musicale. Hier, dans la partie entretien, vous avez écouté le parcours de l'ancien lutteur des Ender, Bala Haruna. Aujourd'hui, nous vous proposons l'interview de Sani Amadou Abdou entraîneur de l'équipe de lutte traditionnelle de Maradi. Dans cette première partie, l'entraîneur revient sur le rôle de la Fédération nationale de lutte traditionnelle. Ensuite, il met l'accent sur comment se fait la sélection des lutteurs qui représentent la région pendant les compétitions. Écoutons Sani Amadou Abdou, entraîneur de l'équipe nationale, l'équipe régionale de lutte traditionnelle de Maradi. Il est interrogé par Assoumana Aboubakar. To kamar yadda kuka sani kokowa wasanni ne akwai da kowa sani na gargajiya kuma muna Nijar muna alfahari da waga kokowa ta mu ta gargajiya tunda har yau ita ce cikin wasanni wadda aka fifita ta bisa kan kowace kuma an yi la'akari ga irin yadda mutane ke santa 'yan ƙasa ke santa har waje ana alfahari da ita to kuma abin da ake so dole sai an mai tsari ana son a samu ta mai kyau to a ko da yaushe tsarin da ake yi shine kahin a zo akwai wuriren da ake bi kahin a zo a ayi constitution ekip har hada ekip tun daga wurin tankaɗe da rairayi tun daga wurin tarka 'yan kokowa a hada ekip wadda za ta wakilta jiha don ka basa wannan tsari ne muke tahiya da 'yan kokowa. To mine ne ake federation cikin wannan tsari? Ita federation kamar uwa ce bisa kan waɗanga jihohin guda takwas namu kuma tana da alaka da waɗannan shugabanni na kowace jiha guda takwas su. mu kuma entrepreneur mu ba cikin federation mu muke ba cikin league ba muke mai mu tare da 'yan kokowa muke an kadure mu bisa kan horar da su inda kun ɗauka federation akwai mutanenta league akwai mutanenta da sj da president da wanda wanda suka shahili su kuma aka ɗauka ekip mutum na da za a kira entrepreneur ne sannan sauran 'yan wasannin shi ga yadda tsarinmu yake. To shi entrepreneur shi ne ke zaɓe ko ko shi ne ke ba da ra'ayi? Entrepreneur shi ne ke zaɓen ɗan wasa da za mai wasa. Tunda cikin tahiya shi ya kowa sanin wane ya kamata ya tai wane abu kamata ba tunda shi ke tare da wani shi ke zama da wani shi ya san yadda wani yake kinan shi ne ke hidda wanda ya cancanta ya wakilci jiha a wannan tahiya. To yanzu jihar Maraɗi kuna da zarumai yara haka masu son kowa. To ai in kun lura a yanzu magana da muke maku ko kowa mata koma ga yara ne babu wani tsohon kai yanzu ka lakwal ce an wuce zancen cewa girma ne ilimi ko wani ce girma ne ina nihin shekaru kenan akwai lokacin da yaro zai tasawa kuma allah ya ɗaukaka ya hi wanda ma ya koya mashi mun ga wannan ka'in wanda ɗalibi zai zauwa ya yi karatun da zai wuce malamin shi zo har ya yi karatu yana da babban lokaci malamin shi na inda ya bar shi kenan ilimi ya wuce haka nan kuma abu ya wuce haka nan. To yanzu ga jihar Maraɗiya ne kake nemo 'yan kuku? Eh, kamar yadda muka ce muku ne muna bin dokokin mu je cikin jahohi kananan jahohi cikin wasu departement departament su kuma kahin su haɗa ko kowace jiha su ma suna zuwa cikin ƙauyukan su su ma su haɗu sai preselection insu su kawo nan jihar departama ta hidda wani za su wakilceta wurin kowace gwanduma su kuma daga nan za su kawo ma jihar kowa wanda za a yi wakiltar jihar shi in kwa ɗauka maradi akwai gidan jima da ranfa da kwaro bermu a gete sa ga zawa duka kowa suna kawo yan kokowa su su ma daga can sai sun hidda sun tace sun ga waɗanga su suka cancanta gare su sannan a kawo kuma an zo na a ƙara cakudawa ta wannan baza ne muke ɗauka yanzu akwai zarumai wanda ake iya jira nan shekara ɗaya shekara biyu a ce sun hito sunan maraɗi cikin kokowa an kuka ɗauki ka'yan bana a koko takobi da muka je da yawa sun yi wannan la'akarin da yawanci rabin 'yan koko maraɗi duk sabon jini ne lalle ba a cewa dukansu mai rabi sabon jini tunda har da ya ci da mu manta kokowa bana kuma wannan muna wa mutane da cewa a'a kokowa ba dole ba sai wanda ba ya lakwal ko ku wanda ya gaje ta ba dole ba sai shi kowa na iya shiga kuma kowa yana iya yin ta da ita ta lokaci ci eh, muna da jan sosai muna da yara masu tasawa kuma muna tunanin insha Allahu da da dan nan da dan lokaci za su zama wani abu kuma abin alfahari tunda akwai wanda zuwa su ne bana na farin kuma sun je sun yi abin da ba a tunani akwai wanda zuwansa na biyu ne akwai wanda sun jima suna zuwa to dama zuwan ake so ka je ka ga yadda ake ba a gaya maka ba da wannan ta ce muke ta da harkokinmu Voilà, chers auditeurs, avant de continuer avec la deuxième partie de cet entretien, nous allons souffler en musique avec le groupe, avec Nobonobo du Fémous Poussi. Tukutuba Alamba Saratimba Annabi ai Annabi ai Nasarajina Jiro grande de la musique nigérienne, il a valablement représenté son pays pendant plus de 20 ans. les rythmes traditionnels, il les adapte au sein des instruments modernes, créant ainsi une musique nouvelle en accord avec la culture de son pays. Son but était de faire connaître sa musique et son pays partout dans le monde et à son âme. alhamdulillah wadugu ton ton dugu wadugu ton ton dugu باها الله باها النبي أي النبي أي لا سرجين أجين po maka dinga bombe po hari wadugu ton ton dugu wadugu ton ton dugu ne wane wane C'était là Nabo Nabo, chers auditeurs. Poursuivons notre émission avec la deuxième partie de notre entretien. Dans cette deuxième partie, Sanya Modou l'entraîneur de l'équipe de Maradi, revient sur les réformes, notamment l'organisation des compétitions interrégionales entre les lutteurs en plus euh, du championnat national. Ces compétitions interrégionales contribuent à promouvoir la lutte traditionnelle et à mettre en avant les talents des lutteurs à travers le pays. Il est toujours au micro de Asman Aboubakar. yanzu ya kuka ga sabon tsari na federation wanda cikin wata biyu wata uku ko ina ana gamuwa ana kwambala wannan eh wannan abu mu gaskiya abu ne wanda muna alfahari da shi kuma muna goyon baya ɗari bisa ɗari saboda shi ɗan kokowa ba a cewa sai lokacin da ake bukata ya za'awar waya shi a shekara a ce sai kokowa takobi za'awar waya ka ka zo ka yi aiki ba yiwuwa ka yadda dan wasa ka ce sai lokacin da kake bukata ya za ka jawo shi ka tallafa shi ka ce kuma kana son ya baka wani eh, sakamako da kake tunani ba zai yi ba wannan amma matuƙar yana hita yana horuwa yana gurzuwa shine zai ƙara mai karhin girkuwa da zama da kanshi wannan burasa shi inda yake tare a bakan shi shi zai kara mai karfin gwiwa kuma zai karanta wani zai kara karanta wani ya san da ko da wani ta gama na a'a ga salon kokowa su da kansa suna alfahari da haka kuma mu ma muna na'am da wannan abu tunda yanzu in ku lura ma yawanci cikin jahohi ma ana tsara wannan kokowa kun gani bayan ta takobi mun je arlit da 'yan kokowa mu biyu muka yi ramportan dezen plus bancin ta arlit muka sauya wata ekipa hallau ba wanda suka tai arlita ba muka tura wasu da magaram can ma muka zo na biyu hallo wanda suka tai da magaram ba su ba suka zo nan doso su ma wasu ne muka sauya kahin nan wurin mun yi kokowa ta nan cikin jihar maraɗi da 'yan jiha a bakin lutar loko su ma da kansu wanda ya yi na biyu shi ma bai ma taɓa kokowa ba maraɗi da sunan maraɗi zai zo ya buga mu gani kenan abu ne wanda muna samun ci gaba muna samun eh, resulta wadda muke tunanin goban allah yarda wannan darajar da martaba ta kokowa za mu ƙara mata kuma duk wannan darajar tana haɗuwa ne Dan akwai haɗin kai matuƙar kai ba haɗa ba yake ko tsakanin kuna yan kokowa ko ekip guda ce aka samu rarrabo kai to ba a samun nasara eh tunda bahaushe ya ce sai bango ya tsage kadangare ke shiga ya kace gani yanzu filan sama na harkar ta bisa harkar finansaman gwamnati na iya kayyanta amma mu kiran da ke gare mu bisa gwamnati tunda mu muna jira irin waga dama mu ga korafin mu musamman mu entrepreneur in ka ɗauki kayan entrepreneur yau shine ya kamata mutum na harin da ke da nauyin jiha tunda shi ake ba 'yan kokowa shi ya hidda sa shi ya ce sun cancanta kenan jiha ta bashi amana kenan wannan amana da jiha ta bashi shi ma in ya je dawo aiki ne da ya dawo abinda muke so ana yi amma za a ƙara yi mamu in yau dan ka. yadda ya samu jika ɗari kai kwacin shi ya kamata ka wuce shi tunda kai ka horar da shi ya zama wannan in yau dan ka ya samu miliyan guda kai kwacin shi a ce ka wuce shi shine girma amma in yau dan wasa ka ya samu jika ɗari kai kwace ya kana jika hamsin kai ne yaron shafa kuma kwacin nan za a tunana tun wurin turkashi in bai dala goma dala ashirin shaf shaf sabuni wane ne bai da uba da ya wuce entrepreneur ɗin muna kai kukanmu ga manyanmu su diba wanga daraja ta entrepreneur ba mu ce ba su yi ba amma su ƙara insha Allahu manyan mu masu jin kukan mu ne mu muna tunanin insha Allahu za su ji mu za su sauraron mu kuma za su ƙara faɗanta mu rai yau jiha ya ne al'umma take karɓar kokowa gaskiya a lokacin baya mutane sun rage son kokowa amma a yanzu ana son ta sosai to kuma kamar yadda na muku bayani baya abu bai zama a soka sai ka so kanka ka hidda san da kake ma kanka ka tahi daga baya sai resulta ta gwada kanta shine bature ke cewa sallu bai fai kakka yi aiki ka nuna kai tsaye kudi kake so wannan sai ka mai da su gehe mun san da maradi shekarun nan tana da matashi dan kokowa wanda vraiment yana da farin jini ga al'umma wanda ake ce ma aibu to yanzu presentama ya ne situation ta aibu take cikin kokowa kamar yadda kuka gani ba maradi kadai ba aibu uku lura duk a Nijar ana son shi to kuma ba abin da ya ja mai haka duk dan wasan da baya da girman kai to na kowa ne abin da ke ka girman kai ka nuna kai ka hewa ne aibu da kowa na iya zama kan abokan shi kan yan gari ba dole ba sai dan kokowa ga kowa na iya zama kuma da kowa yana iya rayuwa kuma duk abin da baka tunani aibo na iya mashi ba dole ba sai in kana dan jihar shi eh Allah ya kame jarabtawa yanzu kusan shekara ya samu fracture an samu an ɗora shi kuma yanzu insha Allah muna tunanin nan da ɗan lokaci tun da yanzu ai kun gani baya da beki yana tahiya shi insha Allah muna tunanin nan da ɗan lokaci za ya tahiya a hidda ƙarhen nan da ke cikin ƙahwa kuma ya zo ya iske abokan hamayya shi ya koma wurin dagashi tunda lalle in kun lura ko ko maraɗi haɗuwa aibu bata ja baya ba ya kawo haka haɗin kan al'umma da kuma sa ma kai in ku lura a shekaru bakwai da suka wuce a maradi rabonmu da takobi tun ta umar bindigau sai dai mu taimaye haka mai haka amma bana saboda allah akwai evolution sosai ta koko maraɗi tun da ba a taɓa tunanin ba bana tun koko da talabiyar ta zolayen ta mamu sattarwa za mu kai hafinal final amma ga yana a rarrafa sai da aka ji da ta kai final kowa wannan abun ya kara mai karfin gwiwa cewa ma'aikata sun zo na an gina maradi eh, mu ba mu mun ci a yaba mu ba eh ƙasa ke yaba ka jiha ke yaba bisa kan aikin ka kuma duk wanda ya abun a yaba shi shi da kanshi ya sani ya tafi aikin ko yake tsoron gunduma gunduma to kun san mu yanzu in ka ɗauki kayan mu entrepreneur tunda mu mu ne za mu shawartar juna tsakankanin mu waɗancan suna yi kuma kowa har kashe da yake daban kuma kowa abin da ya sai yana iya aporte ne kuma contribution yake ba yan jihar shi don ya samu ya arrive ba za ka nuna cewa a'a wani tunda ya yi premier ya hina a'a shi support tuju pour un intellectuel il faut se mettre de la tête tu peux être vainqueur comme tu peux être vaincu wannan in kana da shi za ka samu dan koko ka to kai abin nan ka sani goma ke zuwa sai kokowa ga jiha goman nan ba karahuna ba ka samu kanka cikin goman nan mutum daya zai samun takobin nan Jiha takwas gare mu mutum tamanin cikinsu mutum ɗaya ne za da cin da sabar ɗin nan. to ya kaga yanzu wuraren kokowa na nijar ya kamata a kama sabon tsari. musa kan ginin kokowa abin da ke daidai a yi ni ina son manyan mu su samu su zan yan siranta ko da cikin lakwal ne ko da cikin Voilà, chers auditeurs, c'était un entretien accordé par Sanya Amadou Abdou, l'entraîneur de l'équipe régionale de lutte des maladies, à notre reporter Asman Aboubakar. Salamatou marquons une pause et on se retrouve juste après pour la rubrique Abdou. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé l'environnement et le changement climatique, le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Chers auditeurs, c'est l'heure de la rubrique hebdomadaire de votre émission Le Niger sur Kalangou et nous allons parler de la maladie de Vernet dans la rubrique santé de ce matin. C'est une maladie de peau. Elle est caractérisée par l'apparition des boutons dans certaines parties du corps. Pour plus de détails, nous vous proposons d'écouter Halidou Sidibé Ramotou, dermatologue vénérologue à l'hôpital La Mort de, de Niamey. La maladie de Verneuil, ou encore appelée hydrosadénite suppurée, c'est une maladie inflammatoire chronique des glandes sébacées. Les glandes sébacées, ce sont les glandes de la peau qui produisent le sébum. Et ces glandes sont localisées à certaines parties spécifiques de la peau, notamment le visage, au niveau des aisselles, du périnée et entre les fesses. Quelles sont les causes de cette maladie Les causes de la maladie de Verneuil sont encore inconnues, mais il y a quand même plusieurs hypothèses diagnostiques pour essayer d'expliquer cette maladie. Dans un premier temps, il y a la colonisation bactérienne, donc ça veut dire qu'il y a des, bactéries qui ont infecté ces glandes sébacées-là. Et la plupart du temps, ces bactéries sont du type euh, staphylocoque doré ou bien staphylocoque aureus. Et on a aussi les streptocoques bêta-hémolytiques du groupe A. À part la colonisation bactérienne, on a aussi les causes génétiques parce qu'on a retrouvé des cas familiaux de maladies de Verneuil, c'est-à-dire que dans une même famille, on trouve plusieurs membres de cette famille-là qui développe une maladie de Verneuil. Quels sont les symptômes Donc la maladie de Verneuil se manifeste par des boutons, comme vous aimez appeler, des abcès des furoncles, des nodules, qui sortent au niveau des grands plis de la peau, notamment les aisselles, les plis entre les cuisses, qu'on appelle les plis inguinaux. On a aussi euh, au niveau du périnée et entre les fesses. C'est une maladie qui évolue par stade. Donc dans le premier stade, on a d'abord des des boutons, des furoncles, des abcès qui sortent, qui guérissent, qui ressortent encore, qui guérissent, qui ressortent encore, qui guérissent. Ensuite, le deuxième stade, ce sont des lésions qui persistent. Donc, c'est-à-dire que la personne prend le traitement antibiotique classique qu'on lui donne, mais ces boutons, au lieu de guérir, ils persistent. Ensuite, on a le troisième stade, les boutons commencent à communiquer les uns avec les autres. Donc vous allez voir un abcès. Quand vous pressez pour enlever le pus, le puits va sortir d'un autre côté. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une communication entre les différents boutons. Ce qui fait que la lésion sointe tout le temps. Même quand la personne prend les antibiotiques qu'on lui prescrit, la lésion continue de sointer. Quand on presse, il y a toujours du puits qui sort. Donc, c'est ça le troisième stade. Alors, docteur, comment se fait la prise en charge de cette maladie C'est une prise en charge difficile et il y a plusieurs traitements qu'on fait pour la maladie de Verneuil. Dans un premier temps, pour les premiers stades, on associe des antibiotiques. Au lieu de prescrire un seul antibiotique, on prescrit deux, parfois même trois antibiotiques aux patients. Maintenant, quand il n'y a pas d'amélioration, on passe à un niveau supérieur. Donc le niveau supérieur, c'est que à ces antibiotiques-là, on associe des injections. Et les injections, la plupart du temps, c'est des injections de corticoïdes qu'on fait aux patients pour essayer de soulager l'inflammation, en plus des antibiotiques qu'on a prescrits. Maintenant, le troisième stade, on a recours à la chirurgie. Parce que, comme je vous l'ai dit, dans le troisième stade, il y a des communications entre les furoncles et les abcès. Donc, on recourt à la chirurgie pour essayer d'ouvrir ces sinus-là, de drainer le pus et d'essayer de les refermer. Parce que ces communications vu qu'elles sont profondes, même quand on met une antibiothérapie, ça n'arrive pas à pénétrer totalement dans la lésion. Donc on est obligé de recourir à la chirurgie pour drainer, pour une meilleure euh, prise en charge des communications. C'était Halidou Sidibé Ramotou, dermatologue vénérologue à l'hôpital La Mort de Niamey. Elle était interrogée par Habiba Ahmed. Marquons une autre pause, chers auditeurs, avant de poursuivre avec le titre Gozon Bureau de l'orchestre Toubal Dosso. Cause I'm kuzamiru you know. kabe Kosambiro demande nos sous. Nous avons sous domination de Gozombiro. À la guitare, passe. Ami du Seigneur, du dinosaure. L'homme numéro un de la face de l'autre. Et justement, l'écho des régions va parler de l'orchestre Toubal de Dosso que nous venons d'écouter. 24 ans après le décès de l'artiste chanteur Hassan Issa Kadi Dargni. L'orchestre Toubal de Dosso pourrait-il renaître de ses cendres En effet, depuis quelque temps, les responsables et les mélomanes de cet orchestre multiplient les initiatives tendant à redorer son blason. Le chargé aux relations extérieures de l'orchestre, Issoufou Gado, nous en dit plus. Il est au micro de Mokhtar Hamadou. Ce moment, c'était le moment du feu dernier, à qui nous sommes en train de rendre hommage. Le temps de docteur, le temps de le Saïdou, et, en tout cas tout l'orchestre, en tout cas ils ont donné tout ce qu'il faut en ce moment, comme vous avez à le dire. Ils ont fait la fierté d'abord de Dosso et même du Niger en tout cas parce qu'ils ont fait un peu la fierté. Et ils ont animé ou ils ont fait des créations qui auparavant n'existaient pas au Niger et c'est qui a valu la reconnaissance ou le mérite qu'ils ont aujourd'hui et que nous sommes en train de suivre leur pas. Aujourd'hui, qu'est-ce qui reste de l'orchestre Toubal Aujourd'hui, c'est une relève qui, c'est vrai, peine à se trouver sa voix, mais quand même, nous espérons que peut-être ils pourront faire quelque chose, Inch'Allah. Qu'est-ce qui manque ici au niveau de l'orchestre Oui, vous savez, quand vous prenez l'orchestre Toubal, ce n'est pas seulement un orchestre en son temps, c'était toute une communauté, d'où les chanteurs que vous voyez ou les instrumentistes, les artistes en tant que tels, leur rôle ne s'arrêtait qu'à faire de la musique. Mais pour le reste, tout était géré par la communauté, c'est-à-dire la population de Dosso. Voilà, au fait, c'est cette petite rupture aujourd'hui qui a fait en sorte qu'à un certain moment, l'orchestre avait même disparu de la scène euh, nationale mais Dieu merci, ça fait à peu près un an qu'il a, a créé un fan club qui est aujourd'hui en train de vouloir même renouveler le matériel, qui a appuyé pour récemment un album qui a été enregistré mais qui n'est pas encore sorti. Et donc je crois que vu cette cohésion ou cet engouement qui est fait au niveau de l'orchestre de ces quelques mois, peut-être que ça continue d'ici peu, l'orchestre pourrait encore vivre des heures de gloire. Peut-on dire concrètement que Daniel est irremplaçable ici au niveau de l'orchestre Toubale? Euh, Daniel irremplaçable, il l'est. Il l'est parce que l'homme, pour ceux qui l'ont connu, c'est un artiste dans son complet. Quand je dis dans son complet, ça de sa créativité, sa façon de dompter les scènes et autres. Je dis qu'aujourd'hui, nous allons essayer d'être dans les pavois si nous pouvons. Ça fait quand même plusieurs années que euh, l'orchestre peine à retrouver ses marques. Oui, oui, oui. Depuis sa mort, je crois que les seules périodes où l'orchestre a pu faire quelque chose, c'est la période 2013, voire 2016. Mais de là aussi, il les mêmes difficultés qui ont vécu après dernier sont revenus. Et je vous ai dit que ça fait quelques mois où nous sommes en train de vouloir renverser la tendance. Et Inch'Allah, ça promet. C'est-à-dire le temps de dernier, L'orchestre n'avait besoin de rien. Tout était financé par la population. Et je me rappelle bien qu'il y avait un comité de gestion où le président, c'était Makito. Il y avait un président de Dodon qui était le gouverneur, le préfet en chantant. Et c'est lui qui ouvrait toutes les portes qui étaient fermées. Voilà en fait ce qui a manqué à un certain moment à l'orchestre. Mais j'ai dit, Alhamdulillah, aujourd'hui, ça fait quelques mois où nous avons un fan club qui est en train d'appuyer. Et je crois que si ce fan club continue, nous allons partir peut-être à l'ancienne formule où tous ceux qui sont au moins les responsables de ce vont être autour de, l'unique, l'unique figure qu'ils ont, qu'ils ont sur place. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour que l'orchestre euh, soit véritablement autonome pour que l'orchestre soit autonome, je voulais dire la seule chose qui a apporté l'autre, c'était l'engouement de la population. Il suffit que cela reprenne et vous allez comprendre que. Parce qu'aujourd'hui, euh, nous avons fait récemment un album, je crois que si vous allez l'écouter, vous allez comprendre que nous avons suivi les pas de Daniel. C'est la même musique que nous avons conservée, les mêmes rythmes et en tout cas nous allons essayer de suivre la voix. Ce qui reste, je dis, c'est l'engouement. Sinon, les musiciens y sont, nous avons des personnes capables de créer et nous avons des instrumentistes de taille pour pouvoir faire des belles compositions. Mais il reste juste peut-être à travers le fan club de créer le même engouement. Parce que cette musique, nous ne la jouons pas pour nous-mêmes, mais nous la jouons pour les autres. Il faudrait que ces autres s'en approprient pour que nous, nous puissions atteindre le niveau dont vous êtes en train de parler. Pour bien travailler sur le plan de la musique, il faut du matériel. Est-ce que vous avez des matériels adéquats pour pouvoir répondre à la demande sans cesse des mélomanes Non, adéquats non, adéquats non. Mais nous avons des matériels que nous sommes en train d'utiliser et qui, la majorité, sont payés sur fonds propres. Mais adéquats non. Mais nous avons du matériel sur lequel nous sommes en train de nous appeler. Vous avez un appel à lancer dans ce sens Le seul appel que nous avons à lancer, c'est de rappeler à certains qui l'ont oublié, les deux que Toubal, c'est leur propriété. Toubal n'appartient à personne. La preuve est que les derniers ont fait leur temps, ils sont partis. Il y a le grand frère qui sont venus, ils vont faire leur temps, ils sont partis aussi. Nous sommes en train de faire notre temps. Peut-être que dans peu de temps, nous aussi, nous allons partir pour laisser la place à nos petits frères. C'est un patrimoine. Il faudrait que les gens le reconnaissent que tout Toubal, c'est un patrimoine de soleil. Et il faudrait que chacun mette sa main. Nous seuls qui faisons la musique, nous ne pouvons pas l'amener là où ils veulent. Il faudrait que chacun mette sa main pour que nous ayons à ces résultats dont vous êtes en train de parler. Le studio Kalangu, un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne et la Belgique. Chers auditeurs, c'est l'heure du sport et nous sommes avec euh, Grouza Asumi Karimou, notre chroniqueur du jour. Bonjour Guruza. Bonjour Fanta, bonjour Salamat. Bonjour Guruza. Bonjour. Alors nous débutons cette page sportive avec les résultats de la 32e journée. Oui, effectivement, hier, plusieurs rencontres se sont déroulées à Niamey, à l'intérieur du pays. Les Bérys noirs de l'AS Police, septième du classement, ont perdu devant le Sahel Sporting Club, sixième de la Super League, sur le score d'un but à deux. Match nul, zéro but partout entre AS Garde Nationale, leader de la Super League, du Niger aux jaune noirs de Songo, le ZAC 13e au classement, les rouges blancs de la l'Olympique 10e du classement, de la Super League a été tenue en échec par les Bleus Blancs de Kouaratagi, 12e, sur le score d'un but à 2. Irana Darlit, 9e, a eu le dessus sur Espoir de Zender, 14e, sur le score d'un but à 0. Les bérets bleus de la douane, 4e du classement, ont trébuché devant la renaissance de Bokoti, 8e sur le score de 0 but à 1. Gourouza, le tirage de la 10e édition du TGV de l'aéroport a été effectué. Oui, euh, c'est l'un des tournois des grandes vacances de foot euh, la plus organisée à Niamey. Quatre poules ont été euh, mises en place par les organisateurs. Poule A, TB Gawadou, Route Changa, AS Post, Tonnerre. J'espère que Fanta, tu connais Route Changa, c'est votre... C'est notre quartier, oui. Effectivement. Poule B, Goné, Rochefort, Lou garou Tawi et 5 étoiles. Poule C, Elite PC, Barara, différents, Cité 1, Ballaré 3, Paul D, Telbi, Vertu, Célesca, Main-d'œuvre et Rafia. Et avant de finir cette page sport, nous allons parler du sport à la base avec une formation pour les encadreurs débutés ce matin au centre technique de la FENIFOOT. Initiée par la Fédération nigérienne de football en collaboration avec euh, l'ambassade des États-Unis au Niger, cette formation concerne plusieurs encadreurs des jeunes venus de Niamey de l'intérieur du pays. L'ouverture a eu lieu euh, ce matin. Salamatou Kadri était à cette euh, cérémonie. Elle a tendu son micro à Issaka Adamou, membre de la e Foot. Écoutons-le. Le football à la base est vraiment un des sujets qui tient à cœur à la e Foot. En témoigne si besoin en est de l'installation des camps des jeunes dans les différentes régions du Niger. Et tout récemment, l'ouverture euh, d'une académie du football des jeunes ici même au centre de la FENIFOOT. Il y a quelques semaines, nous avons eu ici à faire une formation de safeguarding pour tous les encadreurs qui sont en contact avec les jeunes. Cela témoigne quand même de l'intérêt que la FENIFOOT a pour ce football à la base. Donc euh, c'est une euh, grande fierté pour nous d'avoir cette opportunité, d'avoir euh, des échanges d'expériences et surtout un expert qui va venir encore approfondir les connaissances de nos encadreurs qui sont là. Nous avons pu faire venir des encadreurs de l'ensemble du Niger. Il y a des encadreurs qui sont venus de l'intérieur du pays. Donc toutes les régions sont représentées et nous comptons vraiment sur vous pour bien assimiler tout ce qui va se passer durant cette semaine avec eux, pour pouvoir relayer à votre tour ces connaissances, ces informations à travers les autres encadreurs qui n'ont pas eu la chance d'être ici. Voilà, c'était la Isaka Damou, membre de la FENIFOOT. Et voilà, c'est tout pour le sport aujourd'hui. Fanta, salamatou. Merci Grouza. chers auditeurs. Si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez actuellement l'émission Le Niger sur Kalangou et c'est l'heure du portail du jour. Salamatou, tu nous présentes qui ce matin Ce matin, le porteur d'aujourd'hui nous amène à la découverte de Yagana, une jeune fille vivant sur le site des réfugiés de Diorikolo, basée près de la ville de Difa. Pour soutenir sa famille, elle vend du poisson au petit marché de Difa. Son portrait avec toi, Fanta Chamsou. Âgée de 14 ans, Yagana fait partie des 16 400 réfugiés de la région de Difa. Basée sur le site de Diorikolo, à 5 km de Difa, elle quitte chaque matin sa famille pour se rendre au petit marché du poisson. Là-bas, elle exerce un métier qui l'aide à subvenir aux besoins de sa famille. là, en Hausa, consiste à prendre du poisson frit ou sec auprès des grossistes du marché pour le revendre en détail. Elle gagne en retour 10% des recettes qu'elle aurait réalisées. Je vends du poisson frit en détail. Il y a des tas de 2500 Nera, 2000 Nera, et quand j'arrive à faire une recette de 10 000 naira, le propriétaire me donne 000 naira en retour et 3 000 naira pour une recette de 30 000 naira ainsi de suite. Je me suis porté volontaire pour faire ce travail. Yagana n'a jamais eu la chance de fréquenter les bancs de l'école. Depuis 2021, sa famille a été contrainte de quitter son Nigeria natal pour se réfugier à Difa suite aux exactions de Boko Haram. Cependant, cela n'a pas mis fin à l'un de ses grands rêves, devenir riche et effectuer un pèlerinage à la Mecque. Bien sûr que j'ai un grand rêve, c'est de devenir riche et effectuer mon pèlerinage en Arabie saoudite. Par jour, je gagne jusqu'à 7000 naira, 8000 voire 9000 naira. Mes parents m'encouragent à faire ce travail. Je viens ici à partir de 9h du matin pour retourner le soir. Partageant la même rangée que Yagana, sa consoeur Atayana, 17 ans, vit quant à elle sur un autre site de réfugiés, celui de Awaridi, situé à 4 km de la ville de Difa. Les deux jeunes filles se retrouvent chaque matin dans ce marché, exerçant la même activité avant de regagner leurs familles respectives. Bien que plus âgée, Atayana apprécie beaucoup la compagnie de Yagana. C'est une très bonne personne. Nous nous sommes rencontrés ici Nous ne vivons pas sur le même site. Moi, je suis à Awaridi. Nous prenons du poisson auprès des commerçants que nous revendons. À retour, nous arrivons à gagner 5 000, 6 000, 7 000 naira et même plus. C'est dans ces petits commerces que nous arrivons à subvenir à nos besoins, à manger et à nous habiller aussi. Nous sommes nombreuses à faire ces commerces. Dieu merci, chacun s'en sort. Certaines viennent de Awaridi, d'autres de Djori Kolo, d'autres de Doro et même de Difa, et beaucoup d'autres endroits. Elles sont nombreuses les jeunes filles et garçons issus de la ville de Difa ou des différents sites de réfugiés à exercer divers petits métiers dans le petit marché de poissons. Voilà, c'était le portrait du jour bouclant notre playlist à présent avec le titre Ramatou de l'orchestre Toubal de Dossou.

na zare aladai pongura mukaliya sigiri bisaisa ai sikalai sigiri bidai mandira mobole chini da zariga kulai godai tutu yanda c'était l'orchestre Tobal de Dosso, chers auditeurs. Nous poursuivons le mission Le Niger sur Kalangu. Fanta, le loti du jour parle de quoi le loti du desk femme du studio Kalangu nous édifie aujourd'hui sur le comportement de certains maris à l'égard de leurs épouses. Il s'agit bien sûr des maris avares qui ne donnent pas un sou à leurs femmes. C'était dans une discussion que j'ai eu à mener avec euh, Samira Rouafi. matsukiji matsukiji matsukiji matsukiji matsukiji matsukiji Assalamu alaikum ƙaunata. Wa alaikum salam yaya, sannin ki da zuwa. Yauwa, ya kike, ya yi ganki da mai gidanki. Alhamdulillah yaya mun gode wa Allah. To madalla, kin san abin da ya sa na zo gidanki yau. Dan in sanar da ke ne yar uwar tanta mu Fatima, Ta samu karuwa. Kenan ya kamata ki shirya mu tai mu gani ta da mu mata barka. Kuma ranar biki zan zo da kai na ɗauke ki dan mu tai tare. Saboda duk dangi ana kuka da ke na cewa baki son zuwa wurin sabgogi. Hmm, yaya, kin san ni ba ta hiya sabgar bane ban su. ba ni iyawa ne shi yasa ban gane ba kamar yaya baki iyawa mijinki ne ke hana ki zuwa koya a'a ba wannan ne ba to mine ne matsala ke dai yaya a bar kaza cikin gashinta wace irin matsala ce za ta iya ki da baki iya gaya mini ni da ayyaye ki sai ki ce ki boye mini yaya kakki manta a lokacin aure na kun sha jan kunne na akan cewa in yi hakuri in ruha mu kaina asiri a cikin kowane irin hali haka ne amma akwai wani hali da dole sai ke yi magana ke dai yaya yanzu ki haƙuri na yi son in yi shiru da bakina in yi ta ci gaba da haƙurin to shi kenan ba ni matsa miki amma ki san da cewa ina nan zamna sai mijinki ya to ya gaya mini ko mene ne a a yaya ba sai kin yi haka ba don Allah to yi magana mana to na ji yanzu dai in ce tun yaushe kika san ina cikin gidan aure shekara bakwai in ban mance ba don me kika tambaya ta ina zuwa ke dai to yanzu kuma tun yaushe kika san na rasa aiki na Shekara hudu yanzu ko? To sai tambaya ta ta ƙarshe. Tun yaushe kuka gani bani nan ga tahiya bukukuwa na cikin dangi. Tun da kika rasa aikin ki, ba ni bani nan ga ganewa. Me kike son ki kwatanta mini ne? To di ba ki ga yaya Yanzu shekara bakwai kenan da nake gidan aure. Mijina biye bai taba ɗauka ya bani ba. Mutumin nan yaya bai bani ma kuɗin mai. Bale in ka miki zancen tuhwa ko kuma wani kuɗin taksi. Ke bar ma in gaya miki. Dala ɗari tashi ka bani kowace sahiya mu yi kayan miya da ita duk abin da kiga ina yi yaya cikin albashi na nake yin shi yanzu kuma bani da aiki ya zan yi in ba in koma ga Allah ba mina ban gane ba amma wasa kike yi mijinki musulmi ne kuwa hmm, sosai ma yaya yana daga cikin waɗanda har misalin su ake badawa a fagen addini Allah sarki kenan to bai san da cewa ba mace namiji ne ya kamata ya ci data ya bata muhalli ya yi mata tuwa kuma ya kula da ita ai ya sani sarai amma babu kalmar da ta birge shi kamar ni ba kuɗi gare ni ba amma waje yana dai in dararo. kauna ta bari ba a wasa da irin wannan abu har da sheri kina mishi sheri. To kin ga me yasa ni so in shiru da baki na ko dan na san ke da kanki yayata ba yarda zaki da ni ba. To ina da wani na na ba ma labarin nan. Saurara ke ji ba wai ban yarda da ke bane kawai abin ne in na tsaya na yi nazarin shi sai in gan wai ba mijinki bane ba iya yin haka nan bawon Allah irin kirkin shi. Hmm. amma kin gani ko aikin shi kenan ke yaya akwai ranakun da hatta ɗan sabilin nan na wanka ba mu da shi ke yanzu zancen da nake miki ma irin bashin da aka yi na Allah masani duk abin da ni tara na kashe shi cikin abinci yanzu sai ni ce cin bashi nan cin bashi can a'a zuwaiga bar gaya min haka duk wannan lokacin kina cikin wannan matsala kuma ki rike ta makanki baki gaya ma kowa ba baki gaya ma waɗanda ke iya yin wani abu ba wallahi gani nake kowa ba zai yarda ba idan na kai wannan kukan amma yanzu da ki taho har na gaya miki har na ji saka yau ki tahiya ma zani in sanar da magabata na saboda bani iyawa yaya na gaji yanzu duka na fahimci abin da ya sa kika rame ki yi duhu ha ba ji huska ki hmm, zancen kike so yaya matsaloli ne suna nan sun cinye zuciyata ai kuskuren ki shine da ki shigo cikin wannan halin shawarar da zan baki kin riga kin ba kanki ita ita ce ki ta ki gaya ma magabata tsohi su ɗai ne za su samu su shawo kan wannan matsalar. Ai haka zani ya yi yanzu yanzu nan, amma ko za ki iya ramta min ɗan kuɗin taksi? Hmm, babu matsala, am shiga ka goma, tashi in ta yin ke. To yaya, na gode sosai, Allah biya ki. Amin. Voilà, chers auditeurs, c'était le loti du jour. Et dans ce studio, nous sommes aussi en compagnie de Ashman Ashina. le journaliste traducteur en Hausa pour la culture linguistique. Nous allons découvrir ce que signifie le mot diplomatie en Hausa. Bonjour, Shina. Bonjour, Shina. <laughs> to yau da kamar da kuka bayyana mun zo muku da kalmar da ake kira diplomasiya wato diplomasiya ake ce mata da faransanci amma da hausa ana cewa diplomasiya yau ita ce kalmar da muka zo muku da ita eh, wannan kuwa kasancewa ranar 24 ga watan juin ranar duniya ce ta rawar da mata ke takawa a harkokin diplomasiya a duniya kenan diplomasiya kuma tsari ne na ka'idoji da ke tafiyar da dangantaka tsakanin kasashe misali akwai hulɗar diplomasiya tsakanin kasashe biyu ita ce da faransanci ake ce ma diplomasi bilateral Ah, da sannan kuma akwai hulɗar diplomasiya tsakanin kasashe da yawa ita ce ake kira diplomasi multilateral amfanin diplomasiya dai kuma yana da yawa misali ta hanyar wannan hulɗa ta diplomasi ƙasashe na iya kafa wani tsari ko wata ƙungiya mai gudanar da ayyukan ci gaban kasashen guda biyu sannan kuma idan wata matsala ta kunno kai tsakanin ƙasashe ana bi ta hanyar diplomasiya ne don warware wannan matsalar cikin ruwan sanyi wato ba sai an kai ga yaƙe-yaƙe ba da sauransu kuma hudu diplomasiya na tsakanin kasashe na sa wata ƙasa ta kai eh, jakadanta a wata ƙasa sannan ita ma wagga tana da ofishin jakadancinta na a cikin wannan ƙasa saboda su gudanar da harkokinsu na yau da kullum ga bayani a takaice dangance da wannan kalma ta diplomasiya. Merci Assoumane China, chers auditeurs. Si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiterez avoir l'explication en anglais, en hausa, en germain, en fulfulde ou en tamashek, n'hésitez pas à laisser un message vocal ou écrit au numéro 82 89 89 64. Et justement, nous allons écouter vos messages vocaux. Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs m'appelle euh, Ousmane Issouf Ousmane. Je suis de la localité des Filingué. Tout d'abord, je tiens à présenter toutes mes félicitations euh, à Studio Kalangu pour son anniversaire. Et nous profitons aussi pour les remercier de tous les efforts qu'ils sont en train de faire euh, pour passer des informations fiables à l'endroit des jeunes d'une manière particulière et à l'endroit de la population de manière générale. Toutes les émissions qu'on arrive à suivre comme forum, FADA des jeunes, espace femmes ou forum presse, vraiment c'est des émissions qui nous plaisent et nous nous souhaitons à ce que Studio Kalangu évolue dans ce sens. Euh, ce que nous souhaitons de plus, c'est que Studio Kalangu accorde un peu plus de temps, euh, surtout au niveau des forums euh, rencontres avec les FADA. Donc c'est vrai que c'est des émissions qu'on fait en Hausa et en Zarma, donc nous voulons assez qu'il y ait vraiment un peu plus, euh, élargir ça au-delà des Français, des Hausa et des Zarma, peut-être inclure d'autres langues euh, qui vont permettre à ce que celui qui ne, comprend ni Hausa ni, ni Zarma, qu'il puisse aussi, aussi euh, écouter ce que Studio Kalangu fait. Mais d'une manière générale, vraiment, nous remercions Studio Kalangu de ce qu'elle fait parce que euh, elle nous donne des informations, surtout nous en ce qui nous concerne les jeunes, vraiment des informations qui nous vont droit au cœur et des informations qui nous paraissent fiables. Donc aussi à travers euh, différentes euh, rubriques qu'elles font ou les articles qu'elles publient sur leur site internet ou bien à travers les applications, surtout les numéros WhatsApp. Donc vraiment là aussi c'est vraiment une belle initiative qu'elles ont eu à faire. Donc nous souhaitons à qu'elles continuent dans cette lancée-là pour que tout le monde soit au même pied d'égalité en termes d'informations. na malama Hauwa, daga nan garin gigime gaskiya da farko dai zan ce shirye-shiryen su yana burge mu sosai kuma zan ce mun karu da abubuwa da dama musamman ma ta fannin kiwon lafiya saboda a da mata yawanci ba sa so zuwa awo amma yanzu da shike wannan shirye-shiryen mata da dama suke zuwa awo kuma a fannin ilimi ma alhamdulillah zuwa ga fannin aure yarinya bata kai aure ba ana mata arme to shi ma a nan wurin gaskiya gaskiya alhamdulillah an karu sosai da sosai eh to abun da nake so da kalangu gaskiya abun da ni ne nake da bukata a wajen su shine su ci gaba da in wannan shirin kasu bare dan gaskiya shirin yana mana dadi sosai gaskiya a da shirin a da ba ma jin labaran gegime amma albarkacin su alhamdulillah yanzu muna jin labaran garin mu abubuwa da da ba mu san da shi ba ma a cikin garin mu yanzu alhamdulillah a sanadiyan su muna jin su matsalolin da suke cikin eh da farko dai ni sunana alhaji ilyasu ibrahim gahila mai garin binikan to ina kuma bin rediyo gidan rediyon karkaranmu na na na kurfai wannan don cikin shi nake samun labarin studio kalangu da yake kullum suna sawa emission kin da duka studio kalangu suka yi don in saurare su eh, ina ji suna magana bisa kai ga dukkan halussan da mahi yawan su da muke da sunan na wannan ma yana birge mu kwarai da yake duk kowane harshe kake da shi kake ji kana kana shi amsa an bada labarai bisa kai gare shi to kuma babban abin da yake kawatar da ni da yake akwai lokaci kamar na suna lura da lokaci yanayi na lokaci kamar ma'ana ina nufi inda mana ta zo suna ba da labaru bisa ga haraka kwanciyar hankali tsakanin manoma da makiyaya to wanda ya interese na kenan kwarai saboda yana kira ga manoman da makiyaya yana tunatar da su ga azamna lafiya e to abin da nake fata a gaba kawai ina fatan su Allah ya ƙara musu nasara su ƙara bunƙasa eh, lokacin da yake eh, wani lokacin lokacin sai abin ya ɗauko sai ka ga lokacin ya ƙare sai an ɗauko emission kana tana jin daɗin ta ɗan lokacin minti goma ne ko sha biyar sai ka ga ya ƙare to ina fatan ya zama to an ɗan ƙara ma wadda aka ga tana da muhimmanci a lokacin ta shi zama an ƙara mata ɗan lokaci. Chers auditeurs, nous arrivons à la fin de l'émission Le Niger sur Kalangou. Au micro, vous avez pu entendre Fanta Chamsou et moi-même Salamot Kadiri. Excellente journée à tous. Bye bye.